on a fait une destruction de produits périmés et il y a divers produits, il y a des conserves, des bonbons, des biscuits, il y a tout genre de produits avariés qu'on a pu détruire. Ça veut dire que les gens profitent euh, de l'ignorance des gens pour leur vendre des produits périmés ici On peut dire ça. Les gens n'ont pas l'habitude de, vérifier la date de péremption. Même si on sait lire, on n'a pas l'habitude, c'est surtout ça. Et les commerçants préfèrent gagner beaucoup d'argent que de voir la nuisance qu'ils font à la population. Vous Vous dites que ce n'est pas un réflexe pour le Nigérien de prendre un produit et de regarder la date. Non, non, c'est pas un réflexe. En tout cas, même moi, un jour, on m'a vendu un produit qui est périmé. C'est après avoir goûté que j'ai compris que c'est un produit périmé. Et tout à coup, j'ai regardé la dette et c'est périmé. Vous voyez, donc c'est pas un réflexe. Moi qui est censé faire le contraire, chaque fois je suis sur le marché pour faire le contraire des produits, mais c'est pas un réflexe vraiment. Si vous, vous, arrivez à prendre un commerçant qui vend des produits périmés, est-ce qu'il y a des sanctions nous, il y a des sanctions. On saisit le produit et on fait une amende à la personne. De 12 000 à 100 000. Nous avons vu quand la date approche, les vendeurs se précipitent à casser le prix et vendre. C'est une bonne chose Oui, ça c'est normal parce que la date n'est pas à terme. Donc on peut casser le prix. On les fait des sensibilisations, mais les gens n'arrivent pas à comprendre. De casser le prix une fois que le produit est presque périmé, ça c'est une bonne chose parce que tu peux réduire la perte après avoir cassé le prix et vendre ça. Mais une fois que c'est mais nous on prend ça et on fait une va donc ça, c'est pas bon. Madame, dans les produits que vous avez saisis, quels sont les produits périmés les plus vendus Surtout les jus. Dans la dernière destruction, il y a beaucoup de lait. Les laits en carton là. Et même il y a les biscuits. C'est les petits commerçants qui vendent ou bien c'est les grossistes qui vendent les produits périmés, selon votre constat tous les deux, hein. il y a les grossistes et les détaillants. En tout cas, on trouve pas mal de choses au niveau des. Surtout les grossistes, comme eux, ils ont une grande quantité de produits.